Je vous remercie beaucoup pour euh, cette opportunité qui me permet en tout cas de parler de comment le christianisme aborde euh, le sujet de la mendicité. Ce qui est sûr, c'est que la plupart de ce qui a été dit vient de la Bible, parce que là-dedans, tout est en tout cas euh, mis par rapport à comment nous devons supporter ceux qui se trouvent dans le besoin. Mais ce qui est sûr, la Bible ne recommande pas qu'on fasse de la mendicité une profession. La Bible aussi nous recommande en tout cas à aider ceux qui se trouvent dans le besoin. Par exemple, un passage qui disait comment est-ce que vous allez faire si quelqu'un vient vous trouver pour dire euh, voilà j'ai faim, j'ai besoin de telle telle chose. Maintenant vous allez seulement prêcher à cette personne-là pour lui dire va chercher. La Bible a dit là vous n'avez alors que vous avez tout le nécessaire. Là vous n'avez pas bien fait. Donc il faut pourvoir aux besoins de la personne. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a une place réservée à ceux qui se trouvent dans le besoin. Par exemple, lorsque vous récoltez vos aliments, il est dit de ne pas tout prendre, de laisser des gerbes dans les champs. Ça, c'est pour les veuves, les orphelins et ceux qui se trouvent dans le besoin. Donc, euh, pour nous, en tout cas, le christianisme, nous reconnaissons qu'il y en a ceux qui se trouvent dans le besoin et il y en a aussi euh, ceux qui, en réalité, euh, n'ont pas besoin qu'on les aide parce qu'ils ont la capacité de faire quelque chose. Donc euh, la Bible n'encourage pas la mendicité. Plutôt, la Bible encourage euh, d'abord la société. Ça commence par l'individu d'abord. Si votre handicap ne peut pas vous empêcher de faire quelque chose, allez-y le faire pour pouvoir vous nourrir jusqu'à aider quelqu'un d'autre. Ensuite, la Bible encourage la famille. La famille à prendre en charge à celui qui se trouve dans le besoin. Parce que pour nous, africainement, c'est une honte dans le temps qu'on voit un parent dans la rue en train de, de mendier, mais c'est toute la famille qui sera blâmée. Donc la famille s'organise et elle prend cela en charge.